le forum du studio Kalamkou, le forum du studio Kalamkou, le forum du studio forum Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou. Au micro, c'est Seigneur Yubakaka. Les programmes du studio Kalangu sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 99.4 MHz, Amphani FM 100 MHz, Kwaretegi FM 90.9 MHz et Challenge FM 96.6 MHz. Vous pouvez aussi nous suivre dans l'ensemble des chefs-lieux des régions et dans plus d'une vingtaine de départements grâce à notre réseau de 34 radios partenaires du studio Kalangu. Notre page Facebook Studio Kalangu notre site internet www.studiocalangou.org. Ce forum a pour thème École d'excellence au Niger, état, réussite et difficultés. C'est l'occasion de faire le point depuis la création de ces établissements sur les avancées, ce qui a ou n'a pas marché et parler des difficultés rencontrées avec un focus sur l'état actuel de ces censés former les élites donc de demain. Parmi ces écoles, il faut d'abord citer le lycée technique d'Ankasawa de Maradi, le lycée d'excellence du Niamey, le Pritané militaire du Niamey. Le lycée d'excellence et le Pritané militaire ont été créés en 1996 par la volonté et la détermination du président de l'époque, le général Ibrahim Barimé Nassara. Un concours donne accès à la classe de seconde du lycée d'excellence aux candidats ayant une moyenne supérieure ou égale à 13 sur 20 en classe de troisième. Les élèves accèdent par concours également au Pitani militaire de Niamey. De 1996 à aujourd'hui, le Pitani militaire a formé plus de 1400 élèves pour la plupart des Nigériens, mais aussi des Béninois, Ivoiriens, Togolais, Camerounais, Sénégalais, Tchadiens, Maliens, Burkinabés, Guinéens et Centrafricains. Cet établissement forme les enfants au métier des armes et leur donne également une formation pédagogique. Les résultats scolaires prouvent aujourd'hui encore l'excellence de ces établissements. Dans ce forum, nous allons tenter de définir les objectifs assignés à la création de ces établissements, faire le bilan des activités menées, leurs sources de financement, les difficultés qu'ils rencontrent. Enfin, nous essayerons de savoir ce que deviennent ces élèves du lycée d'excellence et du Britannique militaire de Niamey. Pour en parler, nous avons dans ce studio M. Samna Ila, il est directeur du CG8, ancien professeur du lycée d'excellence. Monsieur Ila Samna, bonsoir. Bonsoir. Nous avons en ligne le proviseur du lycée d'excellence, M. Diambala Bourahima. Monsieur Bourahima, bonsoir. Bonsoir. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce forum du studio Kalangou. Monsieur Diambala Bourahima, vous êtes en ligne. Faites-nous une brève présentation du lycée d'excellence. Bien, je vous remercie pour l'invitation. Euh, le lycée d'excellence, comme le nom l'indique, a été créé donc le 10 octobre 1996 par arrêté numéro 238 main DST 2P. E donc euh, le lycée a été créé et deux missions importantes lui ont été assignées par l'État. La première mission, il s'agit donc d'assurer la promotion d'une élite principalement dans le domaine des sciences. Oui. La deuxième mission, il s'agit d'assurer aux élèves les conditions d'épanouissement de leur capacité physique, intellectuelle et morale. Voilà les missions qui ont été assignées à l'établissement lors de sa création, donc le 10 octobre 1996. Monsieur Ilassamna, vous, vous étiez parmi les premiers professeurs de, cet établissement. Euh, comment est-ce que euh, le lycée d'excellence a fait ses premiers pas Bien, les premiers pas du lycée d'excellence, se manifester par vraiment la volonté d'un certain nombre de professeurs qui ont été choisis selon bien sûr l'idée du premier proviseur qui est M. Moussa Noma. Oui. C'est que il dit généralement aux professeurs vous êtes choisis en fonction de votre intégrité, de votre moralité. Et c'est à partir de là, bien sûr, que vous allez inculquer aux enfants le savoir dont vous détenez. Donc, à partir de là, effectivement, le lycée d'excellence a pris naissance sur la base, bien sûr, d'une collaboration directe entre les élèves, les professeurs et l'administration. D'accord, je voudrais signaler que dans ce forum, le représentant de l'administration du, Britannique militaire devait donc euh, participer à ce forum. Malheureusement, ils n'ont pas pu participer à ce forum euh, qui, est, en tout cas d'une importance capitale pour euh, le public pour connaître un peu la situation de ces établissements. Monsieur le proviseur, dans quelle situation se trouvent aujourd'hui ces établissements, le, lycée d'excellence particulièrement eh ben, L'établissement se porte très bien une situation tout à fait agréable dans laquelle se trouve l'établissement. Donc, euh, je peux dire qu'en tout cas, il fait partie en tout cas des meilleurs établissements du secondaire de ce pays. D'accord. Aujourd'hui encore, euh, quels sont les critères pour euh, intégrer cet établissement d'excellence Bon, les critères depuis la création du lycée, les critères restent les mêmes. C'est peut-être la première année seulement, l'année 96, l'année de création que les premiers qui ont été recrutés au niveau du lycée n'ont pas été recrutés sur la base d'un concours. Mais tout simplement, ils ont décidé de prendre les meilleurs élèves des classes de 3e, qui ont obtenu leur BPC avec une moyenne d'orientation supérieure ou égale à 14 sur 20. Mais la deuxième année, c'est-à-dire donc à partir de 1997, un concours a été institué. Et ce concours donc est ouvert euh, à l'ensemble des élèves nigériens des classes de troisième, que ce soit des établissements publics ou privés, qui confondent un concours d'entrée, bien entendu, et c'est à l'issue de ce concours-là donc euh, ils sont acceptés au niveau de l'établissement. Quelle est la différence avec les autres établissements scolaires, les autres lycées La seule différence, comme je l'ai dit, le mode d'accès, c'est par voie de concours. Mais tout le reste, en fait, c'est le même programme, c'est le programme nigérien qui est dispensé. Donc, euh, la différence réside dans ça. Et puis, bon, c'est un établissement interne, bien entendu. Ah oui. C'est peut-être la particularité, c'est cet internat-là qui le différencie des autres établissements secondaires du Niger. D'accord. Euh, pour le passage de la classe de seconde à la première, est-ce qu'il y a des moyens qui sont exigés Oui, bien entendu, c'est une autre particularité à laquelle vous faites allusion. Si vous voulez, pour aller en classe supérieure, l'élève doit quand même euh, <laughs> obtenir moins de 12 sur 20 pour accéder à une classe supérieure. En d'autres termes, ça veut dire qu'il n'y a pas de redoublement au niveau du lycée d'excellence, à l'exception peut-être des élèves de classe de terminale. Ah si on ne le souhaite pas, malheureusement, en cas d'un échec peut-être au baccalauréat, mais là, il faudrait aussi qu'il justifie de 12 sur 20 pour pouvoir prétendre à un redoublement. Mais en dehors de, cette, de ce cas précis des classes de terminale, dans les autres classes de la seconde à la première, eh bien, il faudrait que l'enfant au moins obtiennent cette moyenne de 12 sur 20 pour en tout cas prétendre aller en classe supérieure. Auquel cas, bon, il est reversé dans les autres établissements publics du pays. Voilà en fait euh, ce qui est en application. D'accord, monsieur le professeur, je reviendrai à vous dans un instant. Monsieur Samna euh, vous avez vu, c'est avec vous que le lycée d'excellence a commencé ses premiers pas. Est-ce qu'aujourd'hui encore vous avez un regard sur cet établissement Oui, bien sûr, j'ai un regard vraiment sur cet établissement. Parce que chaque fois, même en parlant, j'avance l'idée de cet établissement comme exemple. De la mesure où, dans cet établissement, effectivement, ce qui existe aujourd'hui n'existe pas dans nos établissements actuels. Aujourd'hui, par exemple, la discipline, par exemple, le respect des supérieurs, par exemple, et en même temps l'amour du travail, parce que au lycée d'excellence, c'est un esprit compétitif qu'il y a au sein des élèves. Que vous soyez présent ou pas, la classe n'a pas besoin d'enseignants ou la classe n'a pas besoin de surveillants. C'est le calme absolu et tous les élèves se mettent au travail. Au point que, quand j'étais là-bas, il y a des moments où on donne les devoirs et vous quittez la salle. Le responsable de classe contrôle la classe. À l'heure pile, il commence par prendre sa copie il ramasse la copie des autres. Aucune protestation et personne n'est prêt à tricher. Ça, ça ne fait pas partie du lycée d'excellence. Donc vraiment, c'est une particularité que le lycée d'excellence a par rapport aux établissements actuels, parce qu'actuellement, je gère un établissement. Donc quand je fais la comparaison, j'ai un regret. Franchement, je regrette, parce qu'il n'y a rien de commun entre le lycée d'excellence et l'établissement que nous gérons actuellement. Voilà, vraiment. On a l'impression que ce n'est pas le même système éducatif. C'est le même système éducatif, mais. Dans le comportement, je veux dire. oui, oui, effectivement. Le comportement des enfants. Aujourd'hui, les enfants sont sujets à des mouvements, à l'inconscience, si je peux le dire. Ils ne sont pas conscients de leur avenir. Or, au lycée d'excellence, quand vous regardez tout celui qui vient, en tout cas, notre temps, tout élève qui vient, il est d'abord épaulé par ses grands frères, même pas par les professeurs les, élèves s'organisent, les, élèves anciens s'organisent et prennent maintenant leurs petits frères et leur font des cours avec l'accord de l'administration. Ils leur font des cours, ils les entraînent et, pour qu'ils puissent relever le niveau. or, ici, qui est bon, qui est mauvais, c'est la même chose dans nos établissements actuels. Personne ne songe à l'autre. Ce qui est important pour eux, c'est le sport. Ce qui est important pour eux, c'est la distraction. Et ce qui est important pour eux, c'est les appareils, c'est tout. Mais les études vraiment basées sur le, matériel réel, réellement didactique n'existent pas. Dans les établissements actuels, vraiment, ça n'existe pas. Comment avez-vous vécu votre passage au lycée d'excellence Oh, ça vraiment, j'étais... C'était bon. J'étais vraiment satisfait de ce passage que j'ai fait parce que j'ai fait plus de 10 ans au lycée d'excellence et vraiment, je ne le regrette pas les rapports entre instants, les rapports entre les élèves et les, et professeurs ah, Les rapports étaient familiaux. Parce qu'au lycée d'excellence, justement, la seconde particularité, effectivement, c'est que les élèves et les enseignants sont en symbiose. Prenons par exemple le cas des fêtes scolaires. Mais quand la fête scolaire, fête de fin d'année au lycée d'excellence, c'est en même temps l'administration et les élèves, qui s'unissent pour organiser cette fête-là. Donc ça veut dire qu'en réalité, tous en forme un. Parce que si tu n'es pas proche de l'enfant, tu ne peux pas savoir ses besoins, tu ne peux pas le comprendre pour pouvoir lui donner une directive. Mais quand tu t'ouvres à lui, tu auras plus d'informations sur lui. Il va s'ouvrir, il va t'approcher, il va te faire part de ses problèmes, même les problèmes les plus intimes, il va te faire part d'eux. En ce temps, est-ce qu'il y avait une structure des élèves Bon, la structure, c'était une sorte de coopérative mais il n'y avait pas ce bureau de l'USN actuel. elle jouait exactement quel rôle ce l'instant Juste pour euh, se souvenir aux besoins des élèves. S'il y a quelque chose qui ne va pas, les responsables viennent voir l'administration, on dialogue, on essaie de trouver la solution. D'accord. Monsieur Diambala vous êtes en ligne. Vous avez écouté Monsieur Samna Hila, qui était... Voilà. Est-ce que la situation qu'il a décrite durant son passage au lycée d'excellence, est-ce qu'aujourd'hui elle est la même ou bien il y a une différence Non, non, non, elle a bien décrit la situation. Hein. Nous continuons à évoluer dans le même cadre. Hein. Je l'ai suivi avec attention, là, effectivement. C'est un témoin oculaire. D'accord. Alors, Monsieur Diambala, une fois l'élève réussi au concours d'entrée, y a-t-il une contribution financière du parent de l'élève ou tout est à la charge des établissements ou de l'État non, non, non, non, non, Une fois que l'élève est admis au niveau du lycée d'excellence, il est pris entièrement en charge par l'État du Niger. C'est l'État qui s'occupe du financement de l'établissement à tous égards. Mais cela n'empêche qu'il y a d'autres euh, bonnes volontés qui veulent agir dans ce sens. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais ils sont pris en charge par l'État du Niger. Hein. On ne demande pas un franc aux parents. Maintenant, si un parent veut faire un geste à son enfant, ça ne regarde que le parent et son enfant mais pas dans le cadre, en tout cas, sauf si maintenant d'une manière volontaire, comme je l'ai dit. <laughs> Les parents veulent subvenir aux besoins de leurs enfants, oui, mais auquel cas les enfants sont pris euh, en charge totalement par l'État du Niger. Ils sont toujours hébergés Eh oui, à l'heure où nous sommes en entretien, ils sont hébergés. D'accord. Alors, est-ce que les autorités portent justement au lycée d'excellence une attention particulière comme dans les débuts de sa création mais bien entendu, l'attention est toujours soutenue, elle est continue. Hein. Ça, je vous le garantis, hein, à tout point de vue. Hein. Ça, c'est clair et net, parce que les enfants qu'on héberge ici, quand même, euh, ils sont à l'internat, comme je le disais tantôt. Ils sont nourris, habillés, suivis sur tous les plans. Donc, je pense que l'attention est demeure la même. En tout cas, je ne peux que me réjouir de ça. Ça, je le dis haut et fort. Ils font partie des privilégiés de l'État du Niger. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous donner euh, les, derniers résultats, par exemple, aux examens de, de, Les derniers résultats les plus frais, c'est les résultats du bac passé. Peut-être on peut en parler. Bon, et puis ça fait un certain nombre d'années que l'établissement ne fait qu'enregistrer un taux de réussite de 100% au baccalauréat. Et la particularité de la dernière session, c'est mm. que qu'il y a un, un bon élève qui nous a émerveillés, un élève de terminal C, qui en tout cas enregistré une moyenne de 17-14 sur 20 au baccalauréat, avec une mention très bien. Et ça fait vraiment que nous sommes très satisfaits. Pour ne pas rentrer dans d'autres détails, bien entendu, euh, cet élève a marqué vraiment l'histoire euh, de l'intelligentsia, si je peux m'exprimer ainsi, au niveau de l'établissement. D'accord. Alors, comment se fait la sélection des professeurs qui enseignent dans ce lycée Bon, les textes sont clairs. Hein. Euh, pour vraiment enseigner au lycée d'excellence, il faut être tuteur d'un doctorat, un professeur agrégé, un professeur certifié, et bien entendu avoir une bonne molarité, comme l'a dit tout à l'heure M. Samna. Ça fait partie en tout cas des critères de, recrutement des enseignants du lycée d'excellence. de plus en plus cette fois-ci, bon, on est un peu exposé à ce problème d'ordre général, où les enseignants manquent en fait. Ah donc, euh, et les expérimentés commencent à aller à la retraite. Ah oui. donc euh, c'est une question de, nationale, comme on dit. Mais tant bien que même, hein, en tout cas, euh, ceux qu'on a aussi, en tout cas, ne déméritent pas. Ils nous donnent satisfaction. Au vu des résultats, en tout cas. Et actuellement, vos élèves sont, sont, sont, en examen Oui, tout à fait. Comme je l'avais dit tout à l'heure, euh, la composition du premier semestre est euh, en train de battre le plein. Ces élèves proviennent de l'ensemble du pays Ah, mais ils viennent de partout, des quatre coins du pays. Hein. Actuellement, vous avez... Vraiment, sur le Niger à miniature, quoi. D'accord. Actuellement, vous avez à peu près combien d'élèves L'établissement compte à peu près combien d'élèves bon, Nous avons 90 garçons, 57 filles. Au total, 147. De la seconde à la terminale De la seconde à la terminale. D'accord. Alors, monsieur, monsieur Samna, vous avez écouté euh, monsieur Diambala. Qu'est-ce que vous pensez de, de ses propos Ces propos sont vraiment justes. Parce que c'est la réalité qu'il a décrite, il n'a pas fait de, de contour. Hein. Donc euh, il a réellement dit ce qui se passe et effectivement ce qui se réalise au niveau même des résultats de l'examen de cet établissement. Parce que depuis qu'on était là-bas, effectivement, c'était la même chose. Parce qu'on était fiers quand même de ce lycée parce que c'était la première fois, avec la première promotion, qui a eu les 100% au bac au Niger. On était fiers. Et bien sûr, on a vraiment essayé de maintenir le cap. Et si jusqu'aujourd'hui le cap est maintenu, je dis vraiment chapeau au, euh, professeur de l'établissement. Et les critères dont il a déterminé pour la sélection des, professeurs, c'était aussi c'était les mêmes critères en votre temps. Bon, c'était les mêmes critères de la mesure où bon, moi par exemple, j'étais même chez moi, hein, c'était pendant les vacances, j'étais au repos, au dehors assis. Quand on a envoyé un professeur me chercher pour me dire Ah, on a besoin de toi à l'inspection. Je suis parti, on me dit Écoute, Intel, à la rentrée, on t'envoie au lycée d'excellence. J'ai dit non, je préfère rester au cassé parce que j'étais au cassé en ce temps. Ah oui. Bon, le, proviseur l'inspecteur a exigé, il a voulu c'est de façon provisoire. J'ai dit ok, j'y vais. Je suis parti et c'est comme ça, le proviseur s'est devenu définitif. D'accord. Monsieur Diambala, aujourd'hui, quelles sont les difficultés que votre établissement rencontre ben, écoutez, les difficultés, bon, en fait, euh, c'est trop, je ne sais pas comment dire les difficultés en tant que telles. En tout cas, il n'y a pas de difficultés majeures, hein, ah qu'on n'arrive pas à surmonter, hein. parce que moi, franchement, je peux vous dire que des difficultés majeures, on n'en a pas. Bon, les difficultés, ça, c'est inhérent à toute organisation. On puisse trouver quelque part quelques difficultés mais vraiment qui préoccupe ou bien qui empêche le fonctionnement de l'établissement, je n'en connais pas. Hein. D'accord. En tout cas, le fonctionnement, en tout cas, il, se passe bien. Vous avez tout de même des besoins Bon, ben écoutez, l'homme est toujours envie de besoin, hein. l'homme est toujours nourri de besoin, ça c'est inévident, c'est clair et net. Euh. On a toujours envie d'avoir plus, <laughs> ça c'est réel, mais vraiment du point de vue de notre fonctionnement, eh ben, le problème ne se pose pas. Parce que bon, quand vous avez des enfants à votre, à charge, qu'est-ce qui vous préoccupe C'est comme à la maison, hein. c'est de leur donner à manger. Oui de les suivre du point de vue santé et tout ça. Mais en tout cas, à ce niveau, vraiment, euh, comme disait l'autre, Dieu merci, hein, franchement, euh, le fonctionnement, vraiment, ça va. Et au lycée, au lycée de l'excellence, il n'y a pas de grève Bon, écoutez, c'est un débat qui ne m'intéresse pas tellement. Ah vous pouvez m'excuser de ne pas débattre de cette question. Oui. Oui, <laughs> je préfère euh, <laughs> ne pas me lancer dans sur cette question. D'accord. Dans votre euh, rester en ligne. Dans votre temps, Samna, est-ce qu'il y avait eu des difficultés par moment financières Bon, les difficultés à notre temps, c'était moi, je ce dont je me souviens, c'était au tout début, quand il y avait, on n'avait pas vraiment stabilisé cette situation du restaurant. Bon, après, quand même, les élèves ont donné leurs euh, besoins, voilà notre exigence. On a dit OK. Et hmm. on a essayé de résoudre et je crois que c'était parti pour le bon. C'était l'essentiel vraiment des difficultés. Sinon, sur le plan académique, non. D'accord. Beaucoup de personnes se, se, demandent que deviennent les élèves du lycée d'excellence. Bon, ça c'est en fait une bonne question de la mesure où le lycée d'excellence, quand il a été créé, en fait sa vision première c'était quoi Que les élèves, avant même qu'ils obtiennent le bac, qu'il y ait une préinscription dans les écoles européennes, dans les écoles internationales. C'était ça l'objectif. Bon, à partir d'un certain moment, je crois que la situation vécue après le décès du fondateur, donc M. Euh, monsieur euh, Excellence Barré, je crois que les données ont changé et ces enfants, vraiment, ce qui m'a un peu déçu, c'est que je les, je les ai retrouvés au sein de l'université de Niamey, au sein de, des instituts. Je dis non, ça ne le mérite pas. Mais comme c'est arrivé, ok, et ils ont démontré dans ces lieux aussi qu'ils étaient excellents. C'est ce qui m'a encore réconforté. Ça veut dire qu'aucun de ces élèves n'a eu à franchir l'université, en tout cas par l'enseignement supérieur justement en Europe, par les moyens de l'État. Si, si, si, il y en a qui sont partis. Mais comme l'objectif, c'était presque tous de vrai. Oui. Mais il y a certains seulement qui ont pu partir et d'autres qui sont restés. D'accord. Monsieur le professeur, est-ce qu'aujourd'hui, on arrive justement à, envoyer ces élèves en Europe pour à faire les inscriptions là pour ces, élèves après le bac Oui. Au moment où il parlait de ces faits-là, moi, je n'étais pas encore en fonction. Euh, je n'étais pas encore présent, mais j'ai eu quand même des échos sur la question. Oui. Euh, je crois que jusqu'à une, date donnée, peut-être la coopération française prenait un des meilleurs élèves à qui il accordait une bourse. Euh, mais moi, à mon temps, je ne l'ai pas connu avant que je prenne fonction ici. Je crois que cette opportunité était arrêtée. Il y avait des élections inscrites effectivement en Europe euh, par le biais d'un certain nombre d'organismes ou même par le biais souvent même de l'État. Pendant mon séjour, je connais bien un qui est parti avec l'aval de l'État du Niger inscrit dans une école préparatoire là-bas en France, à Metz, bien entendu par le biais de certaines volontés là. Mais l'État du Niger a facilité, bien entendu, son intégration parce que l'État du Niger a, pris en main cet enfant-là, cet élève, pardon, qui est actuellement en France, qui poursuit des études. Parce que vous savez, c'est un problème d'ordre général. Hein. Depuis que l'État a supprimé la question de la programmation, ça date des années, ça fait plus d'une décennie. L'État ne fait plus de programmation. C'est ce qui explique un peu peut-être ce problème que les gens sont en train de voir un peu. Et c'est un problème réel. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'époque, avec les programmations, tout de suite, l'État place l'élève. Et l'État le suit. Mais le manque de programmation explique aujourd'hui un peu cette situation de flottement que les gens constatent. Mais quand les bourses sont offertes, en tout cas les élèves du lycée d'excellence, en tout cas, arrivent à prendre en tout cas la part du gâteau. Cela est une évidence. puis euh, bon, l'université, du Niger euh, ne sont pas si mauvaises que ça aussi. Hein. Il n'est pas dit parce que monde est sorti <laughs> de cette excellence, il faut nécessairement aller en Europe. Mais le pays aussi a besoin quand même <laughs> que, ses fils restent dans les universités aussi de son pays. Oui, mais quand même, il, il, oui, mais quand même il y a des objectifs pas dit que qui sont immédiatement sur l'Europe. Ou bien moi, non. Moi, je suis contre cet avis déjà là Bon, en fait, c'est l'objectif qui a été assigné à, l'établissement. Je ne connais pas cet objectif-là qui a été assigné au lycée de, s'ouvrir sur les, universités extérieures européennes en particulier. Moi, je ne connais pas ça, mais peut-être c'est dans la mémoire collective. On pense que, bon, quand on fait le lycée d'excellence, il faut nécessairement être à l'extérieur. Mais je n'ai pas, pas, en tout cas, à ma connaissance, un papier qui le dit clairement. Mais c'est un souhait. Peut-être que les universités extérieures, peut-être ont beaucoup plus de, moi, je sais pas, de moyens, moi je sais pas, humains et tout ce que vous voulez par rapport peut-être à la nôtre. Peut-être c'est cette intention que les gens ont. Mais moi, en tout cas, à ma connaissance, je n'ai pas en tout cas un document qui prouve que nécessairement il faut que les élèves du lycée d'excellence soient à l'extérieur. Moi, je n'en connais pas. Mais c'est un souhait qui puisse permettre d'aller exceller peut-être dans un cadre beaucoup plus différent, où peut-être les conditions sont beaucoup plus grandes que ce qu'il y a ici. Mais moi, je dis que bon, c'est un souhait, c'est toujours une bonne intention. Mais nulle part, en tout cas, moi je n'ai lu que l'élève du lycée, après l'obtention du baccalauréat, doit aller à l'extérieur. Moi je ne l'ai pas lu, en tout cas. Mais peut-être c'est un souhait que les gens formulent. Et bon, si ça se réalise, tant mieux. <laughs> Voilà. D'accord. Mais euh, depuis votre arrivée à la tête de ce lycée, est-ce que euh, vous avez les, les échos, vous suivez les bacheliers ah oui, même, au niveau de même leur association, même eux, les élèves, entre eux, ils se, ils se communiquent à travers, bien entendu, euh, les nouvelles de réseau, comment dirais-je, de la technologie de la communication. Ils ont des réseaux, ils ont leur euh, réseau de renseignement, ils savent où ils sont, ils savent effectivement qu'est-ce qu'ils font, et puis, vous voyez, ils suivent très bien. Nous aussi, nous avons des échos, parce qu'il y en a qui viennent de temps en temps nous rendre visite pour nous dire que voilà, ils sont à tel niveau, voilà ce qu'ils sont en train de faire. Donc, euh, vraiment, il y a des informations sur ils sont vraiment informés dans le cadre de l'ALEX, l'association des anciens élèves et habits du lycée d'excellence. là. Ils ont vraiment des, ils se suivent entre eux et c'est vraiment quelque chose de formidable. Et nous aussi, des fois, bon, ils nous, touchent, quoi, pour nous donner des échos favorables. Il y a certains qui sont en Afrique. Oui. Et facilement, ils viennent en, vacances, bon, ils profitent de l'occasion et puis bon, ils viennent euh, pour nous réconforter que vraiment ils font des, de bonnes études et que vraiment elle se classe parmi les meilleurs. Quoi. Donc euh, vraiment, c'est réconfortant pour nous. D'accord. Monsieur Samnaïla, est-ce que vous avez les échos de vos anciens élèves Oui, bien sûr, effectivement. Comme il l'a dit, à travers les réseaux sociaux, on a les échos et généralement aussi, il y a certains que je rencontre même dans la circulation. Et ils me disent vraiment, voilà, ça fait longtemps, on cherchait à vous voir. Je dis, mais écoutez, ce n'est pas facile. Et j'ai dit, est-ce que vous passez à l'école Ils disent fréquemment, ils passent, mais seulement quand ils passent, les anciennes têtes ne sont plus là. Les anciennes têtes ne sont plus là. Mais quand même, le cadre est le même. J'ai dit, bon, d'accord, c'est très bien. Sinon, vraiment, moi, je, les rencontre. Et il y a beaucoup, à l'heure actuelle, avec qui je corresponds également aussi. D'accord. ça. D'accord. Euh, euh, je viens de dire là. Vous dites euh, oui, je disais que c'est pour ajouter un peu à ce que Yéla vient de dire là. Oui. Euh, effectivement, il y a beaucoup qui pensent à l'école. Hein. Il y en a souvent de manière très spontanée, ils font souvent des gestes, hein, que ce soit matériel en livre, même aventure. Hein. On a reçu quelques livres là d'un ancien élève qui était ici, ah oui. qui est actuellement en train de préparer une licence en philosophie là au niveau du Burkina Faso. Il nous a amené deux exemplaires des livres qu'il a écrits, il était ici. Et donc euh, vraiment, il pense à l'école. Euh, en faisant souvent des gestes matériels, de produits pharmaceutiques. En fait, bref, euh, vraiment, euh, ils gardent encore, ils n'ont pas coupé le cordon ombilical. Hein. Alors, monsieur le proviseur, selon vous, est-ce que euh, le lycée d'excellence continue de répondre aux voeux du président Baré Menesara Bon, mais écoutez, au moins ça a été créé, et je ne suis pas dans le secret du président Baré Menesara. Oui je, que, en tout cas, comme ils l'ont dit dans l'objectif qui est assigné, c'est de créer une élite, donc de permettre à ce pays d'avoir euh, des cadres de valeur. Je me dis que, en tout cas, le lycée continue en tout cas à répondre à, cette émission. Mais au moment de la, sa création, je n'étais pas là. Bon, ben, je ne peux pas savoir, je ne suis pas dans le fond du secret du feu président. <laughs> Mais si c'est la mission qu'il a assignée, eh bien, sur ce plan-là, je peux dire oui, le lycée est en train de répondre effectivement, en tout cas, à cette attente-là, qui est une attente nationale. Oui. parce que l'ensemble du pays attend à ce que les fils de ce pays-là soient valorisés. Nos ressources humaines soient valorisées. je pense que au-delà du président, feu président Barré, c'est l'ensemble, c'est l'attente de la nation. D'accord. Sabna, par rapport à, cette question, je, le disais, est-ce que le lycée d'excellence continue de, répondre aux vœux du président Barré Ménessara bien, sûr, parce en fait, euh, le proviseur vient de tout dire. Aujourd'hui, franchement, quand on fait le tour, presque tous ces élèves que nous rencontrons, c'est des élites. C'est vraiment des cadres de notre pays. J'ai mémoire une d'entre nous et d'entre eux qui est parti en Europe avec trois mois de retard. On a même refusé son inscription. On a dit qu'il faut qu'elle attende l'année prochaine pour s'inscrire. Elle a supplié, elle a dit non, elle accepte le retard, elle accepte le risque. Mais quand on l'a laissé s'inscrire, en interlocuteur, elle a surpassé les autres. Elle était majeure sa promotion. Aujourd'hui, elle a fait sciences aéronautiques. Elle est encore en France, elle n'est pas rentrée. Donc vous voyez, déjà, c'est vraiment une volonté du président Barré qui veut que le Niger ait des élites, que le Niger ait vraiment des cadres qui peuvent prendre les arènes de la nation nigérienne. Alors, Comment faire en sorte que euh, les autres établissements scolaires, dont les établissements que vous dirigez aujourd'hui, euh, même si elles n'équivalent pas <laughs> au lycée d'excellence, qu'elles s'approchent un tout petit peu de ce, du lycée d'excellence, des écoles d'élite. Bon, mais moi je me dis que là c'est un facteur, il y a deux facteurs. Le premier facteur c'est d'abord résoudre le problème des élèves permettre à ces élèves-là de se mettre au travail. Parce qu'aujourd'hui, si le lycée d'excellence a ses élèves, mais ces élèves-là viennent de nos établissements. Donc ça veut dire que même au sein de nos établissements, on peut avoir effectivement des élèves capables. Ce qui manque peut-être, c'est le cadre de travail. C'est le fait de rester, prendre conscience et se remettre au travail. Le deuxième facteur, c'est au niveau de l'enseignement. Aujourd'hui, vraiment que mes collègues me pardonnent, nous n'avons pas la même conscience professionnelle qu'auparavant. Nous n'avons pas la même conscience professionnelle. Aujourd'hui, des enseignants s'en foutent. Ils s'en foutent. Parfois, ils viennent en retard. Parfois, ils s'absentent. Parfois, on est plus dans le privé que dans l'école publique, même de l'État. Bon, tous ces facteurs-là font en sorte que nos élèves sont défaillants. Ils perdent le niveau. Et quand on perd le niveau, on ne peut pas être excellent, ça c'est évident. Vraiment, c'est ces deux facteurs-là, vraiment, qui, qui bloquent l'émergence de nos élèves pour être aussi excellents que ceux du lycée d'excellence. D'accord. Monsieur Diambala, avant d'arriver au lycée d'excellence, vous étiez certainement dans d'autres établissements d'enseignement, d'enseignement secondaire. Qu'est-ce qui vous a frappé en venant au lycée d'excellence, si on compare avec les autres lycées d'enseignement général Bon, ben, écoutez, moi, j'ai j'ai quitté l'enseignement depuis 2003. Hein. Ah oui. Après, je suis rentré dans l'encadrement pédagogique. Ah Ma première responsabilité, justement, c'est là au lycée d'excellence. Donc, euh, tant que vous me posez la question en tant qu'enseignant ou vous me posez la question en tant que responsable d'établissement En tant qu'enseignant. Il faut, il avoir les deux faces. En tant qu'enseignant ou les deux oh, ben, En tant qu'enseignant, il l'a dit tout à l'heure, hein, vous savez, c'est une vocation. Hein. Oui. Quand vous aimez votre travail, vous allez le faire convenablement sans aucune pression, sans quoi que ce soit. C'est l'amour du métier qu'il faut et fait bon. Le reste suivra. Voilà en fait ce que moi je peux dire sur la question. Aux autres de juger en fait, hein. <laughs> Je suis mal placé pour me juger. D'accord. Alors, euh, Monsieur Samna, euh, s'il faut proposer quelque chose pour le lycée d'excellence, qu'est-ce que vous allez proposer Bien, maintenant, ben, je suis mal placé pour pouvoir